La vie des réfugiés de Boko Haram dans les camps aménagés est de plus précaire. Notre reporter a rencontré dans rues de Kabalewa, région de Difa, une femme dont le mari a été tué et ses enfants enlevés par la secte Boko Haram. Voici son témoignage. Il y a environ un mois quand nous avons reçu le coup téléphone qui nous annonçait le décès de deux de nos enfants. Oui, les deux sont décédés. Les autres sont-ils en vie ou pas Nous ne savons pas. On nous a dit qu'ils n'ont pas été retrouvés. Et après, il nous a été signifié que certains ont été retrouvés et d'autres pas encore. Ceux qui ont été retrouvés, nous avons de temps en temps leurs nouvelles. Cela veut dire que vous n'avez pas la certitude s'ils sont en vie ou pas Effectivement, nous ne savons pas. Quand est-ce que ces enfants ont été kidnappés C'est en pleine nuit. Quand ils étaient arrivés, à leur première incursion, ils ont tué mon mari. Six mois après, ils étaient revenus pour kidnapper mes enfants aux environs de 22 heures. Ce qui est certain, aucun de nos enfants n'a rejoint le rang de Boko Haram, que ce soit des filles ou des garçons. C'est pour cela qu'ils nous en veulent et ils sont venus les prendre. Et en ce moment, moi, je portais une grossesse. Mes enfants et moi, ils nous ont pris et on a marché toute la nuit. Après une certaine distance, moi, ils m'ont relâché car je suis en grossesse et je suis revenu. J'ai six enfants. Sont-ils en vie Oui, ils sont en vie. Les plus petits sont au nombre de six. Les plus grands, j'en ai quatre, deux filles, deux garçons. Donc au total, j'ai dix enfants. Depuis que ces enfants ont été kidnappés, est-ce que vous avez leurs nouvelles oui, on nous informe de leurs nouvelles, mais cela fait quatre mois qu'ils n'ont plus appelé. Et il y a deux jours de cela que nous avons été informés du décès de deux parmi eux. Voilà que ton mari est décédé et tu as en charge des enfants. Comment euh, tu arrives à survivre nous vivons sous la clémence du miséricordieux. Je n'ai pas de fiche de ravitaillement des vivres qui sont distribués. C'est Dieu qui nous aide. Une seule fois, on nous a donné de l'argent. Et depuis, rien. En tout cas, quand ils viennent, ils nous donnent de l'argent. Combien on vous donne C'est 15 000 francs, c'est ça. Chaque mois ou par an chaque mois, ils viennent ici nous donner. Mais depuis, ils ne sont plus venus. Moi, je n'ai reçu qu'une seule fois. Ce n'est pas de mari. C'est Dieu qui m'aide à trouver à manger. <laughs>